Sarr ak euh, Augustin ministre des forces armées ministre du commerce ñoom euh, jàpp naa gis naa xam naa ne ay ministres yu baax lañ te nag xam naa luy ministre moom xam naa xamee naa ministre kon li ma gis ñoom daal ngeen jàpp ne seen doom yi leen nekkal ci gouvernement bi ay ministres yu

d'intelligence et de maîtrise des situations parce que ministère la xam ne que nous sommes en situation mauvaise mais xam pas de koy c'est pas pour rien que depuis le début depuis six ans bientôt même ça va faire la septième année que le ministre des forces armées est resté ministre des forces armées c'est que quoi est sans sécurité sans stabilité Rien n'est possible. Ni le développement économique et social, encore moins la paix sociale. Et l'ONU, comme mon le ministère des Forces armées, qui grimpe, qui président Macky qui grimpe nos forces armées et de sécurité. ramener dans tous les théâtres du monde, de reconnaître que ces forces armées et de sécurité sont des forces professionnelles. C'est pas pour rien qu'on est sur tous les théâtres d'opération. Légui, depuis 1960, est un des plus grands contributeurs aux forces c'était mondial, comme on l'appelle, comme dit quoi, loolu lu am solo la am solo la euh, ba pare euh, dañuy gëm bi tam ne Sénégal dëkku

distribuer les paroles équilibrer quand il le faut parler aux uns et aux autres rattraper c'est difficile donc maa de ko parce que bien sûr si on fait être réunion à 15. Voilà, à bout, les gens se disent, ben, on attend, hein, on ne sait pas comment ça va se passer, parce que beaucoup de monde carreaux, les gens ne s'entendent pas, les uns tirent à gauche, les autres tirent à droite, et, et on élargit, on amplifie. Mais il y a la dette, jublu ci ak jàmm génn ci ak jàmm ñu sant yàlla bu baax a baax sant di nag li nga xam ne aussi ñoo ci taxaw le la structure qui a été mise en place des des sages chargés du suivi je pense que wane leen on a eu le grand boulot à avoir pour travail. Parce que, nous, dans notre groupe, si nous ne met en place la majorité de présidence élargie, avec les mouvements de soutien, nous ne être ensemble à l'équipe. Voilà, c'est ce qu'on a fait. On a fait, on a fait, on a insisté sur ce qui peut nous diviser parce que les ñu c'est-à-dire li ñu qui élu le président Macky Sall au premier tour le 24 février 2019 et c'est ça qui est important que chacun d'entre vous vous fi toll mu xool loolu Macky Sall bi candidat Je suñ ko defee yaakaar naa ne am ndam su en tout cas pour ma part je suis plein d'espoir plein de confiance ah, vraiment, absolument. les maires les maires il y a des porteurs de voix c'est pas parce que je suis maire hein, mais les maires sont des grands porteurs de voix ah, ah oui parce que si on est maire on a été élu et on a été élu par des voix donc euh, mairie, c'est une wax c'est le seen taxawaay engagement nous c'est vision pour la région Amna solo

donc loolu bu ou ko bàyyee xel bu leen mu di nekk mu xam même su nekkee ci diaspora bi da leen waxtaan ak moom pour benn mooy ils ajoutent leur voix aux autres voix pour que Macky Sall soit élu le 24 février au premier tour 2019 incha allah. beneen bi ci mooy euh, li ngeen wax jëmale ko ci euh, parrainage bi parrainage bi ni ni mu tëddee bi gën a mooy.

c'est très bien vous maire bi vous bi très bien vous avez faire vous national vous national amul problème <laughs> faut pas que l'accessoire le dérisoire cache essentiel c'est accessoire une fois que vous parlez euh, euh, le la vous Vous avez les différents mères là ça vous mais li gën li yoon li gën a yomb li gën a gën a yomb mooy commune bu ne dafa nekk jël seen parrainage jox ko mel xam nga loolu bon sens mooy tax ñu loolu moo gën a jaar su mu ne am loolu moo gën mais su loolu amul ñu ñi koy ñi koy ñi ci am projet dañ ko jox le coordinateur départemental du benn bokk yaakaar la majeur de l'état ñeneen ñi nga xam ne loolu gënal leen ñu indi ko directement jox ko ci délégué régional ñi nga xam ne loolu gënal leen ñu jël ko yóbbu ko ci Macky Sall amul problème léegi donc loolu leer na mu am benn problème loolu vraiment xam nga loolu jarul xuloo jarul werante l' essentiel l' essentiel c' est de parrainer une fois qu'on a parrainé maintenant cheminement bi muy jël dañ leen di wax li war a am rek ak li gën a rafet mais su leen neexee ngeen def ko su leen neexee ngeen def leneen donc. Euh,

Euh, amna solo way am yeneen jotaay do ci méthode organisation après maintenant on va parler du parrainage on va parler de la pré-campagne et puis de la campagne et du jour des élections parce que c'est des étapes importantes qui xamné dañ ko à gérer gérer pour que pour que vraiment il n'y ait aucune possibilité que cette opposition échappe à la défaite c'est ça c'est ça qui est normal c'est ça qui est bien pour notre pays loolu dañ ko waxtaanee audience yi ngeen wax jëmale ko ci président audience yi nga xam ne yéen a ko bëgg jëmale ko ci man yooyu moom d' accord je vais le faire y' a pas de problème les pas les jeunes qui l'ont demandé et les personnes qui souhaitent ma daje ma ma recevoir leen dinaa leen recevoir naa organiser ce matin pour recevoir leen au-delà de cette réunion que nous avons tenue au niveau au niveau départemental dinaa xool ak euh, le le ministre des forces armées le le coordonnateur de. Euh, euh, euh, au de la majorité présidentielle à Thiès, naka la maintenant avoir des occasions de descendre ensemble à la base. Parce que c'est important que dans vos communes, on trouve des jours où on descend dans telle ou telle commune, on se fait que l'un qui soit encore de la plus grande proximité. Donc, il faut organiser des cercles pour bouger. Il n'y a pas le temps de, de, faire beaucoup de choses, mais il faut que nous le les il y a une priorité, une priorité pour nous. Benno Bokayakar, majorité présidentielle élargie, moi, tout, tout notre temps, l'essentiel de notre temps, doit être consacré à l'objectif que nous visons. Il faut que nous dégagions du temps pour ce travail-là, parce que ça n'a pas de prix et il faut que nous y mettions nous-mêmes le prix. Donc, loolu wàllu boobu n'a pas réglé li nga xamné nak mo moo jëm ci euh, audience bi nga xam ñaan nañ ko pour pour président de la République ak les autres demandes euh, euh, Augustin dina ko se recenser après nous on va parler au président. Mais comme euh, j'ai bien aimé, parce que quand même calendrier président, calendrier président, mon rek moi décidé. Je ne peux pas dire au président que, qui obligatoirement il peut recevoir. on a plaidé pour lui dire que c'est important de recevoir telle ou telle personne parce que nous, nañu dimbale fa ñuy a te xam Il ne lu ñuy il a ñuy liggéeyee au président normalement pour convaincre lui nous am benn jafe-jafe euh, donc nous avons il a am euh, problème euh, climat bi ngeen di liggéeyee vraiment le climat le climat ma ça me euh, ça me réconforte et ça me donne confiance da ngeen ko renforcer le comité bi nga xam ne dina du suivi euh, def ngeen déjà un climat d'apaisement probablement l'apaisement ne se décrète pas da peut construire jour après jour dans un long processus